C'est-à-dire que l'opération B, l'armée euh, armée m'a mis à disposition du commissariat de sécurité alimentaire, je veux dire le ministère, pour dimbali len. Armée n'a djek, de de di dimbali autorités civiles pour que l'opération B nous déroule d'une manière bonne. Ce ça sera l'intérêt suprême de la nation L'homme rôle armée d'abord mais il y a d'autres militaires qui m'ont aidé dans cette tâche le il fallait convoyer 146 000 tonnes d'arrêt. 146 000 tonnes Bon xam camions lañ mobilisé pour yóbbu au résultat amul ben kilogramme ben tonne ou ben gramme bu lam lameni, ou bien parce qu'au départ gendarmerie ak commissaire secrétaire signé PV pour effectivement les charger bu ñu eggee aussi fi ñu koy yóbbu gendarmerie ngi Fofu, commissariat ngi Fofu. donc cette opération ñun au départ on a mis l'accent sur la transparence moo tax yenn saa sax opération bi dafa yéex ou bien hier mais ñun sur effort mu ne kon na leer mooy transparence parce que sénégalais ou bien le pays fu mu dugal nous bi ñun duñu contribuer lu koy rôle mooy sécuriser ko te loolu la def ni au résultat kenn signalé wul fii ou bien un cas de vol.